ñoo ngi lay ñaan bala ngaa seetaan sunu vidéo nga daal di abonné bës cloche de notification bi pour vidéo bu ñu dugal rek ngeen mën cee jot seen information bi leen di jox xibaar yi wér te wóor. Je suis à l'état de Hein? Non. Est-ce que des porteurs ont le droit d'extraire quelqu'un de son hein? Moi, je pose la question avant. Monsieur, arrêtez de faire du Non, non, non, non, non, non, non, non, Ubi fee. Oh, no, no. No, no.